le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Mesdames et messieurs, bonsoir. Euh, il est 18h passé de 15 minutes. Euh, merci de rester fidèle au programme du studio Kalangu. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans cette euh, nouvelle édition du forum du studio Kalangu. studio Kalangu que vous écoutez à travers le réseau des radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux des régions du Niger. Nous reçoivent également les populations d'Arli, de Tirozérine, de Ménesoroa, de Magaria, Tamaské, Bouza, Filengue, Birni, Ngaure, Dolbel et Saï. Le forum de ce soir euh, porte sur la migration, notamment les difficultés que rencontrent les migrants durant leur périple et les mesures à prendre pour leur apporter de l'aide. Ce week-end, par exemple, une rencontre internationale d'acteurs de défense des droits des migrants s'est tenue au siège d'Alternative Espace Citoyens. Les acteurs se sont penchés sur la possibilité de la mise en place d'une ligne verte que les migrants en détresse peuvent appeler pour trouver d'éventuels secours. Ce soir, nous aurons comme invité Arimi Abba, membre d'Alternative Espace Citoyen, qui a réalisé un film intitulé Passager du désert sur justement le parcours des migrants. Bonsoir à tous. Je le disais, le forum de ce soir est entièrement consacré à la question de la migration depuis vendredi, une rencontre internationale sur, les questions de migration s'est tenue au niveau d'Alternative Espace Citoyen. Cette rencontre à laquelle ont pris part les associations de défense des droits des migrants de plusieurs nationalités visait à réfléchir sur un nouveau projet dénommé l'Alarme Fond Sahara un projet qui vise à mettre à la disposition des migrants des numéros sur lesquels ils peuvent appeler en cas de détresse dans la traversée du Sahara. Donc, euh, je vous propose tout de suite euh, de suivre euh, à ce sujet Hassan Boubakar, membre d'Alternative Espace Citoyen. Il est interrogé par notre reporter Mokhtar Hamadou. L'alarme phone consiste, à partir d'un numéro qui circule beaucoup dans les milieux des migrants, à appeler un numéro en cas de danger euh, face auquel les migrants se retrouvent, notamment en mer Méditerranée. Alors, euh, ce numéro permet d'appeler et donc euh, d'obtenir éventuellement une aide à partir de l'appel. la réflexion qui s'ouvre ce matin, c'est de savoir si l'expérience qui a été faite dans la Méditerranée, est-ce qu'elle peut être faite dans le désert On sait que dans le désert, aussi. Il y a des moments où les migrants sont perdus, il y a des moments où ils sont abandonnés par les transporteurs en plein désert, dans un environnement qu'ils ne maîtrisent pas, loin de centre-ville, etc. Et donc la question consiste à savoir, est-ce qu'il est possible de mettre en place un mécanisme qui permette aux migrants d'appeler un numéro lorsqu'ils sont en danger C'est donc la discussion que nous sommes en train de faire avec les acteurs venus du Maroc, euh, du Mali, euh, d'Allemagne, euh, du Burkina et d'autres pays. Donc l'enjeu c'est de savoir est-ce que cette expérience méditerranéenne peut être répliquée dans le désert. Voilà l'objet de la rencontre de ce matin. Ça va durer jusqu'à combien de jours Alors cette rencontre euh, a commencé aujourd'hui, donc 3 février. Elle s'achemine le 5 février, si tout va bien. Et quels sont les résultats attendus Alors les résultats, c'est justement de savoir si euh, on peut répondre à cette question. Parce que la question principale, c'est de savoir est-ce que l'expérience faite euh, au nord est-elle possible ici, dans l'environnement du désert, avec toutes les contraintes du désert avec tout le contexte et les difficultés que pose le désert, dans un espace très vaste, euh, partagé par plusieurs pays, etc., etc., au vu des questions sécuritaires qui se posent dans le désert aujourd'hui. Bref, au vu du contexte saharien, puisque la plupart des gens qui sont là sont quand même des gens qui travaillent sur le terrain, qui connaissent quand même assez bien le terrain, la question est de savoir dans quelle mesure ces expériences sont faisables. Alors si le 5, on arrive effectivement à répondre à cette question en disant oui, c'est possible, moyennant ou tel action avec tel tel acteur, je pense qu'on aura atteint l'objectif de cet atelier. Voyons euh, la position des autorités nigériennes. Est-ce que cette euh, initiative euh, est possible ici au Niger? Cette initiative, en principe, elle vise à défendre les migrants. Et ce que j'ai entendu jusqu'à présent des autorités nigériennes, et que toutes les actions qu'ils prennent, ils disent quand même au moins officiellement que c'est pour euh, aider les migrants, c'est pour sauver les migrants. Et donc cette action va aussi dans le sens des migrants. On peut donc penser qu'en principe, ça ne leur pose pas de problème. Depuis la fermeture de la voie numéro 1 qui mène vers la Libye et les autres pays d'accueil, on a constaté que des migrants utilisent d'autres voies de contournement. Est-ce que cette situation ne les expose pas davantage, évidemment, euh, le fait que les migrants soient obligés aujourd'hui à éviter certains axes pour euh, ne pas être pris par des patrouilles, pour euh, éviter les postes de contrôle et tout ça. Évidemment, ça amène les migrants à prendre plus de risques aujourd'hui. Les chauffeurs ne veulent pas perdre leur voiture puisque quand ils sont arrêtés, les véhicules aussi sont immobilisés. Eux-mêmes, ils risquent la prison. Et donc, ils changent de voie, ils prennent plus de risques dans un contexte euh, saharien particulièrement difficile où on peut facilement se perdre, où une panne peut être euh, fatale. Et donc, ces mesures sont prises officiellement pour sauver les migrants, pour sauver des vies humaines. Euh, je fais allusion, par exemple, aux mesures prises à travers la loi 2015-036. Euh, Mais nous, on constate que dans la pratique, ce type de mesures sont justement déjà des mesures qui exposent davantage les migrants à des risques parce que les chauffeurs, quand ils aperçoivent aussi les ils ne pensent pas qu'ils vont vouloir s'arrêter. Ils vont chercher à échapper à ce patrie parce que s'ils s'arrêtent, ils savent ce qu'ils risquent. Et ils font tout aujourd'hui pour éviter les tracés, les parcours traditionnels parce qu'ils se disent que s'ils sont pris, ils savent ce qu'ils risquent. Donc, en fin de compte, finalement, une mesure prise officiellement pour sauver les migrants nous constatons qu'elle expose beaucoup plus les migrants qu'elle ne les sauve. Quelles sont les conséquences euh, de la position du Niger pour la région d'Agadez, qui est une région de transit euh, pour les migrants Écoutez, c'est une question extrêmement difficile aujourd'hui. Je pense que les participants à cet atelier qui viennent d'Agadez sont mieux placés que moi pour le dire. Le premier constat, c'est que pour la plupart des ménages qui vivent des retombées de la migration aujourd'hui, c'est donc euh, une source qui est totalement fermée. Ça devient extrêmement difficile. Vous avez énormément d'acteurs qui vivent de la migration on aurait pu réfléchir davantage à des mesures alternatives avant d'arrêter cette activité. Ces acteurs, c'est bien aussi de les connaître. La situation particulière de la région d'Agadez fait que certaines de ces personnes sont des anciens rebelles, d'autres des anciens guides touristiques, certains des artisans qui ont retrouvé une activité à travers la migration parce qu'il n'y a plus de tourisme, parce que bon, les sociétés minières ne marchent pas très bien aujourd'hui. Tous ces gens trouvent leur compte à travers le va-et-vient des migrants dans cette zone. Alors lorsqu'on arrête justement ce va-et-vient, faut réfléchir à des mesures alternatives. Alors on entend des choses qui sont annoncées, mais nous attendons de voir, nous devons espérer que le gouvernement saura effectivement trouver des mesures alternatives. Mais pour l'instant, en attendant ces mesures, la situation est difficile pour les ménages. Est-ce que cette position du Niger ne va pas profiter à d'autres pays tels que le Tchad, l'Algérie, où les chauffeurs peuvent utiliser leurs voitures pour transporter des migrants Quelles sont les conséquences de cette situation La démarche de l'Union européenne, c'est non seulement de s'adresser au Niger, en tant qu'État de transit, mais aussi aux autres pays. Et donc sa démarche consiste à s'intéresser à tous les pays, pourvu que les pays l'aident à agir sur les flux migratoires, y compris le Soudan, un pays dont le président est considéré comme quelqu'un d'infréquentable, mais sur la migration. Vous avez regardé ce qu'on appelle le processus de Khartoum, autour duquel il y a quand même des discussions entre l'Union européenne et les acteurs de, de cette partie de l'Afrique. Donc je pense que la démarche de l'Union européenne, c'est d'agir vers tous les pays de départ et de transit. Et donc euh, les voies vont être fermées par le Niger, mais les les migrants, eux, j'imagine euh, qu'ils chercheront d'autres voies, de passage. Évidemment, ça va se faire à le risque et péril. Nous, euh, en tant que défenseurs des droits des migrants, nos craintes, c'est que ça puisse euh, malheureusement encore créer plus de drames qu'on en a connu du passé. Voilà les risques que nous on voit, sur lesquels vraiment nous interpellons le gouvernement à des mesures encore plus responsables sur la migration. On ne peut pas l'arrêter. C'est un phénomène mondial qui s'intègre aujourd'hui au cœur des défis de développement. À mon avis, il faut réfléchir à des solutions beaucoup plus durables qui est ce qu'on constate aujourd'hui, cette répression que l'Union européenne a voulu exporter vers d'autres régions du monde. Hassan Boubacar, membre d'Alternative Espace Citoyen qui répondait aux questions de Mokhtar Amadou. Les migrants, ils sont d'origine, ils sont d'origine de plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne. À propos, le Mali est l'un des pays de départ des migrants vers l'Eldorado, l'Europe santa à l'occasion de la rencontre organisée ce week-end à Alternative Espace Citoyen, notre reporter Mokhtar Ramadou a rencontré un acteur de défense des droits des migrants, Mamadou Konakte, membre de l'association malienne des expulsés AME. Il nous parle ici de quelques causes de départ du Mali avant de revenir sur l'accueil qui est réservé souvent aux ressortissants maliens qui venaient à être expulsés. Au Mali, quand vous regardez un peu les zones qui sont considérées comme des zones de départ massif, il y a euh, la région de Kai, c'est-à-dire la première région administrative du Mali. Euh, donc dans cette région, la région est très défavorisée par la nature. Il y a une grande pauvreté qui sévit sur place. Les jeunes sont dans, une, euh, dans un manque total donc, de perspectives pour l'avenir. Alors donc c'est tout ça qui les pousse donc à partir parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors donc s'ils veulent, euh, n'est-ce pas, donc avoir tout ce qui rêvent donc d'avoir une meilleure condition de vie, donc sont obligés de partir. Et en plus ils ont déjà des frères qui, qui les ont dévancés et qui ont, réussi à faire des choses que eux sur place ils n'arrivent pas à faire. Donc autant de raisons qui les poussent donc à partir. Que fait les autorités maliennes pour fixer ces bras valides sur place dans la région du Caille nous, de notre point de vue, les autorités ne font pas grand-chose. Mais peut-être qu'eux, ils pensent qu'ils font beaucoup de choses parce qu'il y a des projets, des programmes, donc pour les jeunes. Mais euh, dans tous les cas, le résultat, ça prouve suffisamment que ce que l'État fait est encore insuffisant parce que les gens continuent à partir. Donc si l'État était parvenu à créer n'est-ce pas, beaucoup d'emplois, à offrir, n'est-ce pas, une perspective meilleure aux jeunes. Donc beaucoup n'allaient pas choisir, n'est-ce pas, donc de, partir à tout prix. Parce que les gens, beaucoup de gens savent en quittant qu'ils euh, vont rencontrer toutes sortes de difficultés en route. Mais les jeunes avant beaucoup disent aujourd'hui, alors donc mieux vaut mourir en marchant que de mourir étant couché. Donc voilà, euh, l'État ne fait pas assez vraiment pour euh, euh, que les gens ne restent pas. Mais l'essentiel de la question, c'est pas donc d'obliger les gens à rester, parce que les gens peuvent rester et rester mourir aussi en restant, avoir des risques en restant. Donc c'est-à-dire n'avoir pas la possibilité d'aider ses parents, n'avoir pas la possibilité d'appuyer ses parents qui sont devenus vieux, ses frères, ses sœurs, les membres de sa famille, alors qu'on est jeune, on a un bras valide, on n'arrive pas donc à faire grand chose pour sa famille. Donc moralement psychologiquement, ça joue sur euh, ces jeunes-là. Voilà toutes ces raisons qui font que les gens ne peuvent pas rester. Que fait les acteurs de la société civile, les ONG dans ce domaine Alors merci. Les ONG, déjà, on peut les féliciter parce que les acteurs de la société civile, je peux prendre l'exemple sur notre organisation qui euh, euh, travaillent beaucoup dans la protection des droits des migrants, de façon générale, tous les droits fondamentaux des, migrants. Nous faisons aussi de l'accueil, c'est-à-dire les migrants qui sont expulsés des pays européens, des pays de, destination, certains pays euh, maghrébins aussi. Donc nous les accueillons et nous les assistons euh, psychologiquement, nous les assistons socialement euh, nous aimerions, n'est-ce pas, aujourd'hui, les assister de façon à les aider à se réinsérer, n'est-ce pas, dans la vie sociale, dans la vie économique du pays. malheureusement, les moyens limités font que nous ne pouvons pas le faire. Mais ce que nous faisons déjà, c'est l'accueil. Nous les accueillons, tous les jours, et ce que l'État n'arrive même pas à faire. L'État se contente euh, d'affréter peut-être un avion pour ceux qui sont expulsés, de les accueillir, et une fois arrivés à Bamako, donc de se débarrasser d'eux. Alors qu'en ce moment, ils sont dans une précarité, dans une euh, faiblesse d'esprit. Ils doivent être accompagnés, donc psychologiquement, au moins quelques jours avant donc de les laisser à eux-mêmes. Malheureusement, ça ne se fait pas. Donc, les organisations de la société civile, les acteurs, ils font donc de l'accueil, ils font de l'accompagnement psycho euh, sociales, ils font de l'accompagnement juridique, n'est-ce pas, pour les euh, aider pour ceux qui sont dans le pays qui n'ont pas été expulsés en suivant totalement la procédure juridique normale, faire de l'accompagnement juridique également pour aider ceux qui ont laissé leurs biens dans ce pays-là, donc à pouvoir rentrer, n'est-ce pas, en droit, n'est-ce pas, pouvoir récupérer ses biens. Donc c'est tout ce travail-là que nous faisons et nous avons malheureusement très peu de moyens donc à notre disposition, ce qui fait que nous ne pouvons pas satisfaire tous les migrants malheureusement. Nous savons que ces migrants en quittant le Mali euh, quittent avec beaucoup d'argent, autant d'argent euh, qu'ils dépensent le long du trajet. Est-ce que des gens pauvres peuvent avoir autant d'argent, autant de ressources avec eux Très bonne question. Euh, la plupart des migrants qui vont sont en réalité pauvres parce que les gens ne savent pas. Beaucoup de migrants ne quittent pas le pays avec beaucoup de millions en poche. Certains font donc des escales. Certains peuvent mettre deux années avant donc de pouvoir franchir, trois années. Ils font des escales de transit. Ils quittent Bamako par exemple, ils arrivent à Gao. Certains, à leur arrivée à Gao, ils n'ont plus d'argent. Ils sont obligés de rester pendant deux mois, trois mois, quatre mois pour pouvoir avoir un peu d'argent et continuer la route. Arrivés dans les autres pays maghreb comme la Libye ou l'Algérie, ils travaillent également sur place pour pouvoir avoir le transport et continuer. Mais par contre, pour d'autres, ils ont eu la chance d'avoir beaucoup d'argent qu'ils euh, mettent à leur disposition. Ça, c'est dû au fait à quoi euh, Les gens, souvent, c'est très compliqué. On peut avoir 2 euh, millions tout de suite quand on a un projet de migration. Mais quand on veut rester sur place, ce n'est pas évident d'avoir ces 2 millions-là. Alors donc, vous voyez toute la différence. Donc, quelqu'un accepte de vous donner un peu d'argent, une tante, un ami, etc. et tout, sa maman qui peut vendre ses bijoux pour vous donner, accompagner un migrant. Ce n'est pas évident d'avoir ces 2 millions ou ces 3 millions quand on n'a pas un projet de départ. voilà la complexité de la question. Mamadou Konati, faut-il légaliser ou bien réprimer euh, la migration selon vous La question est très simple. La migration, normalement, est un droit un droit que euh, chaque citoyen doit avoir la possibilité d'exercer. Donc les gens doivent avoir la, liberté de partir ou de ne pas partir. Mais c'est aux personnes elles-mêmes de faire ce choix-là. Alors donc il n'appartient pas à une autre personne ou à un autre à un État de bloquer, n'est-ce pas, donc ce droit et d'empêcher l'exercice donc de ce droit-là à la liberté. Nous au niveau des organisations de la société civile, nous avons toujours dénoncé cet état de fait et peut-être certainement dans les jours à venir, nous allons donc euh, émettre euh, des, avis de protestation à l'encontre, n'est-ce pas, des représentations diplomatiques ou consulaires donc du Niger qui se trouvent dans nos pays ou dans d'autres pays pour justement protester contre cette violation donc, du protocole de la CDAO. Quelle est la position de votre pays, le Mali, par rapport aux accords de réadmission Le Mali a affiché une position très claire, en fait, nous pensons très clair par rapport aux accords de réadmission. En tout cas, il y a juste un mois, il y a une grosse euh, polémique qui a éclaté au Mali par rapport justement à la signature éventuelle bah, bah, d'accords de réadmission. alors, à ce niveau, le président IPK, Ibrahim Boubacar Keïta, a dit qu'il n'a pas signé et ne signera pas euh, ces accords de réadmission. Est-ce que cela a permis de calmer un peu la tension sur place au Mali Oui, bon, la tension s'est un peu calmée parce que comme vous savez, la migration est un enjeu très important dans notre pays. Mais effectivement, cette polémique a permis de susciter un grand débat populaire donc, sur la question donc, des réadmissions. Les ministres ont été interpellés par le Parlement. Il y a deux ministres, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Maliens de l'extérieur, qui ont été interpellés par les députés pour s'expliquer euh, devant, n'est-ce pas, la nation. Alors ils ont fait, les gens n'étaient pas toujours, n'est-ce pas, convaincus donc de cette démarche-là. Mais le président également est sorti pour affirmer qu'il n'y a jamais eu d'accord signé et qu'il n'y aura jamais d'accord signé. Alors donc, euh, on ne sait pas si on doit les croire sur parole, mais on peut quand même leur euh, accorder les bénéfices du doute et être dans l'observation, donc être, n'est-ce pas, dans la vigilance. Vous venez de suivre Mamadou Konaté, membre de l'association malienne des expulsés. Il était interrogé par Mokhtar Hamadou. Je le disais, nous aurons aujourd'hui un invité et il est là sur place avec nos studios. C'est Arimi Abba. Bonsoir Arimi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Donc, euh, tout de suite, vous venez de suivre avec nous euh, Mamadou Konate qui donne un peu une idée de, comment ça se passe au niveau du Mali, qui est un des pays euh, de départ des migrants, qui donne un peu, il a évoqué quelques raisons qui font que les gens quittent pour aller vers l'Eldorado. Et quel premier commentaire Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voudrez <coughs> revenir par rapport à ce que Mamadou Konaté avait soulevé Oui, euh, justement, euh, j'ai entendu Mamadou Konaté, que je connais bien. Hein. Je l'ai croisé en 2010 déjà. Euh, avec lui, j'ai fait la frontière entre le Mali et la Mauritanie, où j'ai moi-même réalisé un film sur cette question-là avant celui du Niger bien sûr. Eh bien, euh, il disait que les migrants préfèrent euh, aller, essayer quelque chose et mourir que... Euh, plutôt mourir debout que mourir couché. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est symbolique. L'anecdote, c'est que par exemple, il y, a, il y a une certaine époque à la gare d'Agadez, il y avait des associations qui, euh, je dirais, n'ont pas compris grand-chose à la migration, euh, qui affichaient des messages euh, pour décourager. des, images des migrants morts quelque part dans la mer, dans le désert, pour essayer de dissuader ces départs-là. Eh bien, les migrants, en partant, ces images les font rire moi j'en ai croisé, euh, qui disent que nous savons très bien qu'il y a la mort devant, mais comme on dit euh, en Hausa, euh, ce qui pousse le rat à rentrer dans le feu est plus chaud que le feu lui-même. Donc c'est en connaissance de cause qu'ils s'en vont. il ne faut pas se faut pas se le cacher. La plupart des migrants, des jeunes qui s'en vont de nos pays, c'est des départs des migrants économiques euh, c'est parce que ça ne va pas sur place, parce qu'ils n'ont pas de perspective, parce qu'ils n'arrivent pas à se réaliser sur place qu'ils s'en vont. Euh, alors on voit que souvent, euh, ce n'est pas toujours ce dont ils s'attendent. Souvent, ils sont rapatriés par groupe et ramenés chez eux. L'accueil n'est pas toujours au bon, fixe oui, mais ça ne les décourage pas. Il faut se méfier de quelqu'un qui a décidé de s'en aller, de quelqu'un qui a décidé de migrer. Euh, j'évoquais tantôt le film que j'ai réalisé à la frontière entre la Mauritanie et le Mali. Moi, j'ai vu un jeune Malien euh, qui était là-bas euh, depuis des mois. il était parti, on l'a rapatrié par trois fois au bord de la mer et une fois sur la mer mais il n'est pas découragé, il veut repartir. Il dit que à son retour, il a appelé juste sa maman pour qu'elle sache qu'il est en vie, pour qu'elle sache qu'elle ne s'inquiète pas. Et il était en train de faire des petits travaux, de quoi avoir son fonds pour repartir. Donc ils savent ce qu'il y a. Alors, mais il y a, il y a, quand même des actions qui sont menées pour que ces gens puissent rester chez eux, servir leur pays. Euh, euh, je ne crois pas. Je crois pas. Il faut pas vraiment. Euh, je suis actuellement sur un autre film sur la migration. Nous allons revenir sur les films, mais, je déjà. Je, le dis en fait, c'est des exemples que j'ai. il n'y a pas grand-chose qui est fait. Pourquoi les autres ne viennent pas S'ils viennent, c'est en tourisme qu'ils viennent. Lesquels Par exemple, pourquoi les Occidentaux ne viennent pas chez nous Pourquoi c'est nous qui nous battons pour aller chez eux pourquoi euh, C'est parce que tout simplement, ça ne va pas chez nous. Parce que eux, ils se pensent qu'ils sont en crise. Mais chez nous, la crise est beaucoup plus, euh, beaucoup plus forte euh, parce qu'on n'arrive pas à avoir du boulot pour les jeunes. Les jeunes, ils ont étudié, ils ont, euh, ils ont entrepris un certain nombre de choses, ils veulent entreprendre un certain nombre de choses, se réaliser, il n'y a pas moyen de le faire. Eh bien, ils s'en vont. Je crois que c'est aussi simple que ça, c'est parce qu'il n'y a pas. S'il y a quelque chose qui est fait, moi je suis sûr que beaucoup ne pas. Alors, qu'en pensez-vous de, cette question d'accord de réadmission euh, entre euh, l'Union européenne euh, et les États les accords de il faut parler plutôt de conditionnalité. Aujourd'hui, tous les accords qui portent sur l'aide bilatérale ou multilatérale entre l'Union européenne et nos pays sont conditionnés par l'adhésion aux conditions de lutte contre la migration, Et ces conditions, dont, la réadmission donc la réadmission. Accueillir, donc les ressortissants. de recevoir, d'accueillir, non pas les ressortissants seulement. Les ressortissants, si c'est de preuves à l'appui, ça va encore. Mais tous ceux qui auraient transité par ton pays. Imaginez le Niger, où Agadez est devenu un pôle hyper important aujourd'hui. Donc le Niger doit pouvoir accepter d'accueillir sur son territoire tous ceux qui sont partis, passés par là ou et de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, partout. Comme ce qui s'est passé euh, dernièrement avec l'Algérie qui a expliqué oh. des... Voilà, voilà, voyez-vous, c'est presque toutes les nationalités qui transitent par le Niger. Vous avez vu, les Maliens, c'est des bus entiers qui les ont transportés. C'est ça l'accord de réadmission c'est de recevoir sur ton territoire tous ceux qui sont passés ou transités par ton pays ou partis de ton pays. Mais euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour que euh, cette réadmission puisse être euh, favorable et pour le pays d'accueil et pour les migrants qui reviennent Mais écoutez, oh, euh, Mamadou Konaté vient de le dire, la migration, c'est un droit. La réadmission, on fait réadmettre dans les pays des gens pas selon leur volonté. Euh, ce n'est pas accepté. Ils sont expulsés parce que juste on pense qu'ils n'ont pas tel ou tel autre papier. Normalement, ça, ce n'est pas. ça tout doit se faire dans le respect du droit. Mais la, la réadmission ne, ne, respecte pas de droit, c'est-à-dire il s'agit aujourd'hui de ramasser euh, n'importe qui, et pourvu qu'il y ait un pays qui accepterait de le recevoir. Donc les pays qui signent la réadmission, eux, acceptent de recevoir pourvu qu'on démontre par quelques moyens que ce soit que ce migrant-là est parti à partir de leur pays. Donc il n'y a pas de possibilité pour que la réadmission arrange quelqu'un. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas il, n'y a pas de dispositif mis en place pour que au niveau, quand ces personnes arrivent à être euh, euh, rapatriées puissent être prises en charge euh, au niveau du pays d'accueil Écoutez, n'est-ce pas que l'Union européenne s'attelle justement à cela Non, ils ne font ils font vraiment pas grand chose. Ils ont des centres d'accueil qui ne sont rien d'autre que des prisons à ciel ouvert parfois euh, où quand on ramène les gens, ils sont parqués. Certaines organisations sont passées mettre dans euh, l'ouverture de tels centres. Ils font passer ça sous euh, le profil de, de, de, de l'humanitaire. Mais ça n'a rien à voir. Quelqu'un est allé se chercher. On l'attrape comme un moins que rien. On le rapatrie c'est-à-dire il n'y a pas de respect de droit en la matière. Maintenant, mm. les, les centres qu'ils ont ouverts peuvent Aujourd'hui, par exemple, euh, pour ne pas les citer, l'OIM, ils disent qu'ils n'accueillent que celui qui veut être là. Le, retour, volontaire. Voilà. Mais en réalité, il n'y a pas de respect du droit. Dans, mais quelle est, où est la responsabilité du pays d'accueil C'est d'avoir signé. Aujourd'hui, beaucoup de pays. La responsabilité, comment est-ce que le, pays d'accueil doit se comporter Est-ce qu'il doit-il laisser mourir de faim tous ces gens qui reviennent euh, doit-il leur offrir euh, euh, du travail Ok, par exemple, si, des, Nigériens sont retournés, c'est ça, qu'est-ce que le Niger doit faire Oui. Mais écoutez. Même si, ou bien des expatriés Non, les expatriés, quand ils sont là, ils sont en transit. Généralement, on se renseigne sur leur pays d'origine pour les ramener. Quand c'est des Nigériens qui reviennent, le Niger doit faire en sorte que ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas partis d'abord, il faut s'occuper d'eux. Ceux qui sont partis, il faut veiller au respect de leurs droits. C'est ce que les gens ne font pas. Et ils demandent même à des pays étrangers de faire revenir vraiment des Nigériens. C'est ce qui se passe, euh, par exemple, avec l'Algérie. Les dirigeants algériens sont formels que c'est le Niger qui demande de répatrier ses ressortissants. Or, ces, euh, ressortissants, ils sont là. quand on les ramène, ils sont laissés à eux-mêmes. Il y en a qui repartent la semaine qui suit. Hmm. ou deux semaines plus tard, euh, tu, les verras dans les rues de l'Algérie. Donc, il n'y a rien qui est fait. S'il y a quelque chose qui est fait, je te dis, les gens ne partiraient même pas. Alors, je voudrais qu'on parle cette fois-ci du, film que vous avez réalisé et, qui a été diffusé euh, notamment lors de cette rencontre et euh, qui est intitulé Passager du désert. Pouvez-vous nous dire euh, pourquoi, ce titre, Passager du désert Passager du désert, c'est parce que il s'agit de personnes qui traversent l'un des plus grands euh, déserts au monde, le désert, euh, le Sahara, donc le désert, le Ténéré nigérien, plus euh, le désert algérien ou libyen pour aller jusqu'à la mer souvent. Donc c'est pourquoi moi je les ai appelés passagers du désert. C'est des passagers vraiment du risque en fait. Alors faites-nous un bref résumé de ces films. Qu'est-ce que ces films retracent ça retrace le parcours de euh, migrants africains en général qui passent par Agadez pour partir euh, jusqu'en Libye. Euh, parce que nous, nous les avons suivis d'Agadez jusqu'à la frontière libyenne pratiquement, en fait, la, la, le dernier village avant, en fait, jusqu'à Sigidim. Et on les a vus, et c'est se croiser. Euh, en même temps qu'on s'entretenait avec ceux qui partent, il y en a aussi qui revenaient de gré ou de force, et on a profité aussi pour nous entretenir avec eux. Euh, nous avons aussi profité, puisque c'était au lendemain de, la guerre euh, qui a fait partir Kadhafi, donc nous avons aussi profité pour nous entretenir avec des Nigériens cette fois-ci qui étaient ramenés par avion à l'aéroport de, de Niamey. Donc c'est un film qui fait un chassé-croisé entre les partants et le retour. C'est justement le mystère de la migration. D'autres on les fait revenir de force, d'autres fuient pour venir, mais il y en a aussi qui en même temps acceptent de partir parce que pour eux, ils disent que chacun a sa chance. Alors, ces films, en gros, ces films, qu'est-ce que ces films vous voulez faire ressortir à travers ce film Passager du désert Écoutez, euh, il y a la question de violation des droits des migrants par les forces de l'ordre que par les États, mais aussi le danger euh, qu'il euh, encourt pour effectuer ce trajet euh, en connaissance de cause. parce que parmi eux, il y en a qui, qui ont fait ce trajet-là six fois, d'autres sept fois. Donc ils savent qu'est-ce qu'ils vont endurer avant d'arriver à une zone voulue, à la zone voulue ou à Tripoli ou peut-être au-delà, donc euh, jusqu'en Europe. Ils savent qu'est-ce qu'ils encourent comme danger avant de partir. Donc c'est cela que nous, on veut ressortir, on veut montrer que c'est des personnes tout à fait euh, responsables qui prennent la route pour essayer de solutionner vraiment des problèmes auxquels ils sont confrontés. Alors, quel est l'objectif principal de ces films L'objectif, c'est de montrer euh, la réalité, euh, à tous ceux qui vont le visionner. C'est de leur montrer que les jeunes qui partent, et les moins jeunes d'ailleurs qui partent, partent pour des raisons précises. Ils te disent que nous n'avons pas à manger. Si nous restons, qui va nous donner à manger Parce que nous n'avons pas de travail. Nous avons étudié, nous n'avons pas de travail. Nous sommes allés dans des écoles professionnelles, nous n'avons pas de travail. Je suis né, je ne suis pas allé à l'école, mais j'ai le droit de vivre. Je veux aller chercher de quoi nourrir ma famille, de quoi me, nourrir. Ça, c'est leur message. Donc, celui qui regarde comprendra que ce n'est pas pour de l'aventure, par goût d'aventure qu'ils s'en vont, mais c'est bien en connaissance de cause et ils te disent nous préférons partir et mourir que de rester pour mourir de misère. Ça aussi, c'est un message qu'il faut voir pour ça. Parce que souvent, euh, le, commun des mortel, ils disent non, ils s'en vont chez autrui. Euh, pourquoi le gouvernement a le droit de leur faire ça On a le droit de ne pas les respecter. On a non, c'est des gens tout à fait respectables. D'ailleurs, pour moi, souvent c'est les meilleurs qui s'en vont. à force de les croiser, c'est les meilleurs qui s'en vont. C'est les meilleurs de nos meilleurs, bras Vraiment de nos bras valides qui s'en vont pour une fois. Du temps de l'esclavage, les meilleurs ont été pris et aujourd'hui encore, c'est les meilleurs qui s'en vont. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ce film Est-ce que ce film est sur YouTube Oui, le film euh, avec, euh, quand vous allez mettre euh, Passager du désert sur YouTube, vous pouvez trouver. Mais aussi, Alternative, nous l'avons pour ceux qui voudraient bien s'en procurer comprendre de quoi il s'agit. D'accord. Et, lors de la rencontre dont nous parlons, la rencontre qui a eu lieu ce week-end, justement, il a été question de discuter d'un point essentiel, notamment euh, la, possibilité de, mettre en place euh, une ligne euh, qui va permettre, qui peut permettre aux, migrants en détresse de pouvoir appeler au secours. Alors, pendant deux ou trois jours, vous avez discuté. Est-ce que vous êtes parvenu à, à la réponse. En fait, vous avez euh, trouvé la réponse à la, possibilité de mettre en place un tel oui, Il a été envisagé de mettre en place euh, cette ligne-là. C'est quelque chose qui existe déjà pour la Méditerranée. Hein. Ils appellent ça alarmophone Méditerranée. Et là, c'est alarmophone Sahara qui va être euh, mis en place. Il s'agira des numéros que les migrants en danger ou ceux qui auraient rencontré, qui vont rencontrer des migrants en danger peuvent contacter pour pouvoir créer, euh, envisager le sauvetage. Alors, est-ce que c'est possible Est-ce que les discussions vous ont permis de, percevoir tous les contours de la question dans ce vaste désert où des gens contournent les voies légales. Est évident, le problème même ce n'est pas les, voies légales, ce que nous n'avons pas, par exemple en Méditerranée, il y a euh, les gardiens civils, euh, la, police euh, et la, gendarmerie, par exemple, espagnole, qui, sont, qui gardent les côtes, qui sont là, et qui ont une certaine vision, une certaine compréhension du droit. On ne peut pas leur dire et qu'ils refusent de sauver dans notre pays, euh, la, pauvreté dans aidant, dans nos pays, la pauvreté aidant, on sait que même un malade pour 30 km de carburant peut mourir. Maintenant, quand c'est à 1000 km d'Agadez qu'on aperçoit euh, des, des, des, migrants en danger, aller les chercher reste et demeure euh, une équation difficile à résoudre. Mais déjà qu'ils aient euh, la possibilité d'appeler, que des gens puissent les voir et dire, bon, c'est déjà quelque chose. Parce que j'ai aussi compris, j'ai aussi vu que parfois c'est à 3 km, à 5 km d'un village, par exemple de Asamaka, il arrive que, que des gens meurent à 5 km parce qu'ils n'ont pas le sens d'orientation en ce moment. -là. Quel est le réalisme de, de, cette initiative quand on sait que souvent les gens partent sans, sans aucun moyen de communication Oui, mais justement, c'est de les amener à partir avec des moyens de communication. Et ça, c'est réaliste. C'est fait sur la Méditerranée, je pense que c'est faisable euh, chez nous, c'est dans leur intérêt, parce qu'ils ne vont pas pour mourir, ils vont pour vivre. Et si on leur dit que si vous prenez telle précaution, vous il y a possibilité que vous soyez sauvé, je crois qu'ils comprendraient très bien. Alors, est-ce qu'il y a déjà des partenaires qui se manifestent pour une telle initiative non, pour l'instant, on est à l'étape de réflexion. un projet doit être euh, rédigé, validé avant d'être soumis à des partenaires euh, potentiels. Pour l'instant, non. D'accord. Et je vais vous proposer que nous écoutons cette fois que nous allions à Agadez. Agadez qui est une plaque tournante et une région où beaucoup de jeunes ont trouvé de l'emploi dans cette filière de, de la migration. Mais depuis euh, cette loi qui interdit, qui incrimine donc euh, l'activité de, passeurs, beaucoup de jeunes se retrouvent désœuvrés. En dehors du tourisme, la ville d'Agadez vit donc euh, des activités de la migration. Aujourd'hui, cette activité est arrêtée par les autorités. C'est le désespoir pour beaucoup de jeunes. Je vous propose de suivre cet élément réalisé par notre correspondant d'Agadez, Moussa Maman. La ville d'Agadez, passage incontournable des migrants subsahariens, vit désormais sous une loi qui interdit toute aide à la migration, une activité pourtant lucrative pour la population en particulier pour les jeunes. La migration est interdite, certes, mais elle n'a rien d'illégal, explique Mohamed Anako, le président du conseil régional d'Agadez. Jusqu'à 3 mois, 4 mois, pour nous c'est une activité légale la migration. C'est de ça, les jeunes ils vivent de cela, il n'y a plus de tourisme depuis un certain temps. Donc il y a plusieurs acteurs dans cette chaîne d'immigration-là. Et voilà, un bon matin, on nous dit que c'est illégal. C'est vrai, ça n'a pas été facile d'avaler la pilule, mais comme c'est une loi de l'État, nous avons demandé au gouvernement de sensibiliser d'abord la population par rapport à cette loi-là. Nous avons demandé aussi aux partenaires, parce que c'est eux qui ne veulent pas de la migration. Nous, ça ne nous dérange pas la migration. Ils n'ont qu'à créer les conditions pour que tous ces acteurs-là qui vivent de la migration trouvent des occupations. En fait, ce sont les jeunes qui sont les plus concernés 70% d'entre eux pratiquent des activités liées à la migration, selon le président du conseil régional d'Agadez. Aujourd'hui, la plupart de ces jeunes sont dans le désespoir. À l'exemple de Bachir Ama, un des passeurs de migrants. On va voir ce qu'ils vont faire pour nous. Parce que nous, on n'a pas de travail. Il n'y a personne qui travaille maintenant. Ça, c'est un problème. Quelqu'un qui trouve avant de l'argent, maintenant, il n'a pas de, l'argent. peu près, il y a 20 personnes qui est derrière lui ou bien 30 personnes. Ça, c'est des problèmes. C'est un grand problème. Et encore, l'Union européenne, ils ont donné de l'argent. On a entendu. On dit que les travailleurs, on on va arrêter, on va arrêter. Mais maintenant à Gadez, il n'y a aucun travail. Il n'y a rien qui marche. Les gens ne travaillent pas. Nous, on lance un label vraiment à l'État d'essayer de voir comment ils vont aider les gens. Plusieurs personnes croupissent aujourd'hui en prison à raison des nouvelles dispositions de la loi. Ibrahim Anzo Diallo, président des Sentinelles citoyennes Garquois, un regroupement de la société civile, dénonce cet état des faits. Mais on ignore que ces migrants, ils quittent les frontières du Nigeria, les frontières du Bénin, de tous côtés pour venir à Agadez. Non, ils passent tous les territoires du Niger, la moitié du territoire du Niger pour venir à Agadez. C'est seulement aux portes d'Agadez qu'on leur applique la loi 036 2015. Voilà, c'est ça qui révolte à Agadez. Il n'y a pas ce qui fait mal aujourd'hui à Agadez que le fait d'emprisonner une centaine de jeunes, d'immobiliser plusieurs centaines de leurs véhicules et les oublier carrément dans les nuits froides des geôles d'Agadez. Pourquoi Les jeunes de la région mettent des désormais leurs espoirs dans les conventions de projets en faveur des jeunes signés avec plusieurs bailleurs de fonds, Moussa Maman, Agadez, Studio Kalangu. Alors, donc vous venez de suivre avec nous cet élément d'Agadez qui retrace un peu les difficultés que vivent la jeunesse d'Agadez, notamment dans, qui vivait, euh, je le disais, de cette filière euh, de la migration. Alors, un Bien sûr que c'est un gâchis parce que c'est l'application même, euh, l'opportunité même de, cette loi qui n'est pas compréhensible, étant donné que Agadez, c'est tout de même quand même la CDAO. N'est-ce pas quand des ressortissants de la CDAO viennent à Agadez, euh, qu'ils traversent Agadez jusqu'au dernier centimètre du territoire nigérien, ils sont censés être en territoire de la, dans, le territoire de la CDAO. Normalement, on ne doit pas leur empêcher de passer et la CDAO, c'est un acquis de longue date que toutes les autres communautés africaines, euh, en Afrique centrale, en Afrique équatoriale, tout le monde a envie que ça s'applique. Aujourd'hui, c'est un recul rien que sur ce plan-là. Sur le plan des activités, la migration, depuis la nuit de temps à Agadez, était vraiment une activité importante. Depuis la période euh, du commerce transsaharien, jusqu'à aujourd'hui, Agadez, c'est un passage presque obligé, mais aussi une ville qui vit de la migration. Vraiment, c'est pour Agadez, euh, la migration et c'est que euh, le Nil pratiquement pour euh, l'Égypte ancienne. C'est ça qu'il faut se le dire. Malheureusement, nos dirigeants euh, pour vraiment faire plaisir vraiment à, ceux qui ont de l'argent à donner euh, ont arrêté ce processus, mais c'est sans penser aux jeunes, c'est sans penser à la population d'Agadez qui ah. tire essentiellement ses ressources vraiment pour vivre de cette activité-là. Alors récemment, on a vu que l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger, Raoul Mathius, euh, s'était rendu à Agadez pour le lancement d'un projet qui vise justement à donner du travail aux jeunes des œuvres. Initiative euh, qu'il faut saluer Peut-être, mais il faut savoir, hein, il n'y a aucune aide, il n'y a aucun appui budgétaire venant du Nord qui peut remplacer l'apport des migrants. D'abord, ça c'est un. Moi, euh, je rentre d'un tournage de Cantier où j'ai rencontré quelqu'un qui me dit que autant fort de la présence des ressortissants de cette région-là à Agadez, il allait chaque mois chercher pas moins de 26, 26 millions que ces gens-là envoyaient à leurs parents. Qui peut donner ça aujourd'hui Il dit, chaque mois quand il va chercher, on a l'impression que c'est les salaires qui viennent d'être payés. Parce que le commerçant qui, lui, n'est pas parti, les enfants de cette personne-là vont faire des achats chez lui. D'autres qui sont malades se soignent avec cet argent-là. Qui va donner autant d'argent pour mobiliser tous les jeunes d'une région. Je ne crois pas, c'est de la poudre aux yeux. Non, on parle de ces jeunes-là qui, qui, qui n'ont plus, qui ne font plus ce travail dont les véhicules sont garés non, mais ceux dont les véhicules sont, sont garés sont à peu près environ sept, 7, euh, projets, dans, dans un projet qui va intervenir dans cette le, Le problème, ce n'est pas de créer un projet, c'est de l'activité, c'est du boulot qu'il faut travailler, qu'il faut donner. Occuper les gens à, pour tous les jours. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire qui peut euh, est-ce que c'est de l'agriculture Si ce n'est pas de l'agriculture, je ne vois absolument pas quelque chose qui peut remplir. Il y a, c'est une activité naturelle comme je l'ai expliqué, d'Agadez, la migration. Maintenant, le préface, c'était le, tourisme. Oui, mais il y avait le tourisme, mais il y avait ah. toujours la migration. Ah. le tourisme, ça c'est vraiment les gens qui viennent et donc l'insécurité avait, la, avait a fait fuir les, les, touristes. Mais la ville a continué à vivre grâce justement aux activités de la migration. Aujourd'hui, la migration c'est fini. On pense que par du sauvetage, on peut mettre fin à la volonté de cette population. C'est bien de vouloir générer des choses, euh, sincèrement. Mais euh, quelle étude a été faite Sinon, vraiment, je voudrais bien savoir. Une, dernière conclusion, qu'est-ce que on joue avec du feu, à mon avis. Voyez-vous En faisant En faisant cette lutte, les yeux fermés, cette lutte contre la migration, les yeux fermés. D'abord, ceux qui passent laisse des ressources pour passer. Nos jeunes et nos, parents, tout le monde qui part, c'est pour chercher des ressources. Si on leur empêche d'aller, on donne d'autres idées aux gens. Parce que l'être humain euh, doit vivre de quelque chose. Merci. Nous sommes au terme du forum de ce soir. Je rappelle que nous étions avec euh, Arimi Abba, membre d'Alternative Espace Citoyen, qui a réalisé un film Le passager du désert. Merci à tous. Euh, bonsoir.